le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum 2 novembre 2016, une date euh, mémorable pour les journalistes car c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Messieurs, dames, vous nous suivez en direct euh, sur le studio Kalangou. Tout de suite, le forum des studios Kalangu. Il est 18h passé de 16 minutes. Diallo Mariama Kenda, ravi d'être en votre compagnie. Je le disais aujourd'hui, 2 novembre 2016, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, une date choisie en mémoire de l'assassinat de deux envoyés spéciaux de RFI, Claude Verlon et Ghislaine Dupont, au Mali le 2 novembre 2013. Deux ans plus tard, aucune information. L'enquête semble ne pas beaucoup avancer. Beaucoup de questions au sommaire de notre émission de ce soir. La quasi-impunité dont bénéficient ceux tu tues ou emprisonnes les journalistes ne constitue-t-elle pas un encouragement pour les criminels et les groupes armés qui se font régulièrement remarquer par leur action contre les journalistes. À qui sert cette euh, résolution prise lors de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 2013 qui a proclamé le 2 novembre journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes Les crimes ou violences contre les journalistes ont-ils diminué Sinon, pourquoi nous analyserons la situation dans le monde, en Afrique, mais nous débattrons également dans ce forum des conditions de travail des journalistes ici au Niger et des risques qu'ils courent dans l'exercice de leur métier. Voici ce dont il sera question ce soir dans ce forum. Bonsoir à tous, bienvenue. Je ne suis pas seule, je suis en compagnie euh, du président de la maison de la presse, Ibrahim Aruna. Nous attendons également d'un moment à un autre euh, l'arrivée de Ibrahim Malam Gao de l'Association nigérienne de la presse indépendante et bien sûr, si la technique nous permet, nous pourrons éventuellement être en contact avec Maman Djaharou de l'ONUMED, Observatoire national indépendant pour l'éthique et la déontologie. Bonsoir, messieurs, et merci d'être avec nous Bonsoir, monsieur Ibrahim eh, Yacouba, président donc de la Maison de la Presse. Merci euh, d'avoir accepté d'être avec nous dans ce studio. Depuis le début du XXIe siècle, ce sont plus de 600 journalistes qui ont été tués parce qu'ils tendaient parce qu'ils tenaient d'informer le public sur les faits dont ils avaient été témoins. Plus grave encore, à peine 10% des crimes commis contre les professionnels des médias ont abouti à une condamnation de leurs auteurs. Revenons sur un exemple récent, l'assassinat de nos deux confrères français, Claude Verlon et Ghislaine Dupont, au Mali le 2 novembre 2013. C'était il y a deux ans, jour pour jour, le 2 novembre 2013. Les envoyés spéciaux sociaux, Dupont, âgée de 57 ans, et Claude Verlon, 55 ans, ont été enlevés par des hommes armés puis assassinés près de Kidal, dans le nord du Mali. Deux ans plus tard, aucune information, l'enquête ne semble pas avoir beaucoup avancé. On ne sait toujours pas qui sont les meurtriers des journalistes, ni dans quelles circonstances exactes Claude Verlon et Ghislaine Dupont ont été tués. Rappelons également qu'en 2012, la directrice régionale de l'UNESCO a condamné l'assassinat de 123 journalistes, professionnels des médias et producteurs des médias sociaux d'intérêt public, un chiffre qui a diminué en 2013, passant à 91, ce qui a dû tout de même représenté la deuxième année la plus meurtrière pour les journalistes. Et je vous le disais, nous sommes donc en ligne avec Jaharu Mahman, qui est donc euh, de l'ONIMED. Jafar, bonsoir. Jafar nous allons donc revenir tout à l'heure euh, avec Djaharou. Donc, euh, je me tourne vers le président de la maison de la presse. Et la première question, c'est dans, ces conditions, vous avez donc euh, entendu les chiffres évoqués ici par l'UNESCO et aussi les conditions de, l'enquête, la poursuite de l'enquête concernant l'assassinat de, nos deux confrères de RFI et Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Alors, dans ces conditions, quel rôle pourrait jouer véritablement une journée internationale C'est d'abord, euh, on peut parler d'un triste anniversaire, mais aussi une occasion, comme l'a dit les Nations Unies, pour interpeller les dirigeants des pays en ce qui concerne les crimes commis contre les journalistes. Euh, c'est triste de voir que après deux ans, depuis 2013, que l'enquête sur l'assassinat de nos deux confrères n'a pas encore évolué. Au vu de la situation de ce qui se passe au Mali, il est très difficile de s'attendre aussi dans les prochains mois à ce que euh, cette enquête évolue. Mais tout de même, malgré que ce soit un triste anniversaire, c'est aussi une occasion de rappeler aux uns et aux autres, d'interpeller la conscience des uns et des autres que la situation des journalistes dans le monde est très déplorable. Dans certaines parties du monde, les journalistes exercent difficilement leur travail et beaucoup de crimes sont commis à l'endroit des journalistes. Et on euh, nous signale que Djaharou Maman est donc en ligne. Jaharou, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous venez donc euh, de nous prendre, de nous écouter. Nous sommes donc euh, à ce triste anniversaire de l'assassinat de nos deux confrères de RFI qui ont été assassinés le 2 novembre dernier. Les statistiques sont pas du tout bonnes et Aujourd'hui, quelle est euh, votre première euh, sensation vis-à-vis de cette situation des journalistes dans le monde euh, Oui, oui, je pense que, comme, vous venez de le dire, cette journée a été initiée par les Nations Unies. Par les Nations Unies, vous savez, suite à, à l'assassinat au nord Mali de nos deux confrères français. Euh, la première impression, c'est que cette journée, j'ai comme l'impression qu'elle n'est pas. Euh, les journalistes ne l'ont pas réappropriée. Euh, elle devrait être mise en exergue par les journalistes pour répondre à un certain nombre de défis, un certain nombre de défis que nous considérons d'actualité. les crimes contre les journalistes sont spécialisés dans le contexte de conflits que nous vivons dans, en Afrique, dans nos régions, dans nos pays et même à travers, le monde entier. Djaharou, donc, à quoi sert réellement cette journée internationale Cette journée vise à faire euh, euh, un état dévié des crimes commis à l'endroit des journalistes, de, passer à revue ce crime et même de faire un plaidoyer pour qu'il n'y ait plus de, crimes, c'est-à-dire qu'il y ait plus de rigueur, qu'il y ait plus euh, de, de, allant dans le sens de protéger les journalistes qui sont sur le théâtre des opérations. Quand je parle des théâtres des opérations, je parle des, des terrains de conflit. Puisque la plupart, quand je ne vous apprends rien, les crimes euh, commis contre les journalistes euh, sont enregistrés dans les régions en conflit, dans les régions de guerre. Vous savez que le Nord Mali, à l'époque de l'assassinat de, nos deux confrères français, était sous euh, la, la, menace ou non sous même l'emprise des terroristes venant de la Libye après la chute du régime du guide libyen. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque pays est susceptible d'être une zone de conflit et à partir de là, un plaidoyer doit être envisagé pour que encadrer les journalistes dans l'exercice de leur travail. Vous savez que le crime, le crime commis, contre ces deux journalistes n'a jamais, jamais été euh, jugé. On n'a même pas trouvé les auteurs de, ce, cette forfaiture. Justement, justement, Jafar, c'est là où je voulais en venir, mais cette fois-ci avec le président. Jafar, tu restes en ligne avec nous pour poursuivre cette émission, président. Euh, jusqu'à là, euh, l'enquête n'a rien donné et euh, quel est aujourd'hui ce sentiment qui, qui vous anime? Oui, comme je l'avais dit tantôt, jusqu'à là, l'enquête n'a pas évolué et il n'y a pas un espoir à ce que cette euh, situation évolue du moment où euh, la situation du Nord Mali n'a pas encore évolué. Les différentes forces en présence continuent euh, de rester maîtres du terrain et tant que la justice, l'autorité euh, euh, centrale de Bamako n'est pas, ne s'établit pas sur tout le territoire malien, on ne peut pas s'attendre à une évolution de la situation. Donc, pour que euh, d'abord cette enquête évolue, il faut que force revienne à la loi dans le nord du Mali. Tant que la situation n'évolue pas, euh, euh, vers la paix, vers l'installation euh, générale du gouvernement ou bien des autorités maliennes dans le nord, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une, enquête sérieuse qui puisse donner des résultats sur cette question. Alors les journalistes français donc ont remis en cause les autorités françaises vis-à-vis de ce silence sur l'enquête de l'assassinat de, de, ces deux de nos deux confrères et les parents d'un côté de, de, nos deux confrères qui, qui réclament aussi justice et tout, cet état des faits et l'enquête qui, qui ne donne toujours pas grande chose. Oui, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, dans le Nord Mali, vous avez plusieurs forces en présence. Et même, les, même pour les Français, la difficulté est de déterminer qui a agi, au nom de qui, au nom de quoi, pour quelles raisons il faut déterminer les raisons. Et or, dans le Nord Mali, même entre les différentes forces en présence, les gens s'entretuent et il est très difficile de déterminer, de pouvoir avoir la possibilité de mener une enquête librement et d'aboutir à un résultat. C'est bien normal que euh, les familles des victimes euh, mène euh, ou bien euh, oui mène une pression sur les autorités françaises pour obtenir des résultats. Mais j'en suis sûr que si le gouvernement français a la possibilité de résoudre l'affaire le plus tôt possible, il aurait fait ça depuis longtemps. Alors la grande question qui, qui se pose, c'est est-ce qu'en réalité c'est parce que le gouvernement français ou les autorités françaises n'ont pas la capacité d'aller à bout de cette enquête ou bien est-ce que c'est en réalité une stratégie pour ne pas faire la lumière sur cette enquête. Jafar Maman, si vous êtes en ligne, vous avez la parole. Oui, par rapport à ce, silence, moi je vois plus, euh, vous savez, il y a plusieurs indicateurs qui jouent euh, contre l'aboutissement de, cette enquête. Il y a d'abord, euh, jusqu'à présent, le Nord Mali est sous l'emprise de, des groupes armés. Vous savez que Kidal est contrôlé par un ensemble de groupes armés. Et même dans le contexte de des négociations, la zone n'est pas euh, contrôlée par l'armée royaliste, c'est-à-dire par le, pouvoir de Bamako. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une enquête véritable dans le nord pour savoir qu'est-ce qui se passe. En plus de cela, il y a le, combat qui continue entre les forces, euh, les forces loyalistes qui soutiennent et les forces des Nations Unies qui soutiennent l'armée loyale, de, qui soutiennent les autorités de Bamako continue quelques opérations sporadiques. Et vous, vous euh, je ne vous apprends rien, vous entendez chaque jour des séries d'assassinats, des séries de combats. Et ce qui fait que beaucoup de présumés coupables sont éliminés. Certains ont disparu du Nord Mali, on ne sait pas encore leur localisation. Ça veut dire que l'enquête dans ce cadre-là est difficile Alors, ce qui, ce qui nous amène toujours à, à, persister dans cette euh, question, à quoi sert euh, réellement cette journée internationale Écoutons à présent le point euh, que nous fait Alassane Kouzi Mamadou. La 108e session de l'Assemblée générale des Nations unies en 2013 a adopté une résolution qui a proclamé le 2 novembre Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. Une date choisie en mémoire de l'assassinat de deux envoyés spéciaux de RFI au Mali le 2 novembre 2013. Il s'agit de Claude Verlon et Ghislaine Dupont. Cette résolution exhorte les États membres à prendre des mesures concrètes pour combattre, je cite, la culture actuelle d'impunité. Elle condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre des journalistes et des travailleurs des médias. Cette résolution demande à outre aux États de promouvoir un environnement sûr et propice dans lequel les journalistes peuvent effectuer leur travail de manière indépendante et ingérence. L'accent que cette résolution met sur l'impunité tient au fait préoccupant qu'au cours de la dernière décennie, plus de 600 journalistes ont été tués parce qu'ils informaient le public. Alassane Kouzi Mamadou, un environnement sûr et précis permettant aux journalistes d'exercer le métier, ce métier noble d'ailleurs. Est-il possible, euh, Président, nous vous écoutons, Ibrahim Arounem, le président de la Maison de la Presse. Oui, un environnement sûr, il est possible de le créer. Nous sommes dans un pays démocratique, euh, le Niger est, un, pays démocratique, et il faut s'en féliciter que notre pays a adopté certains textes qui puissent juridiquement permettre aux journalistes d'exercer librement leur métier. Maintenant, il y a des entraves qui sont constatées euh, au cours de l'exercice de ce métier-là, de, la liberté de la presse, où avec le temps, on peut euh, y remédier en sensibilisant les uns et les autres pour les faire comprendre que cette liberté de la presse ne sert pas uniquement les journalistes, elle est au profit aussi de tous les citoyens nigériens. Diafar Maman est toujours en ligne avec nous, je vous le signale. Diafar Maman est de l'ONIMED. Alors, cet environnement sûr et précis pour les journalistes est-il possible Oui, il est, tout à fait euh, possible, puisque vous savez que même dans le cadre euh, de conflit n'a pas même en temps normal. Même dans le cadre de conflit, il y a un certain nombre de dispositions juridiques qui protègent les journalistes en, euh, exercice. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il suffit de, mettre en application euh, ces législations. Vous savez que depuis 1977, il y a, des, des, conventions interpays qui protègent les journalistes dans le cadre de, l'exercice de leur métier, même en temps de guerre. oui, c'est vrai que nous allons revenir sur cette question un peu plus tard et euh, nous allons directement savoir. Euh, actuellement, le Niger euh, est classé quelième, donc quel est le rang qu'occupe le Niger en ce qui concerne la liberté de la presse Jafar, vous avez toujours, vous avez toujours la parole. Oui. Euh, vous savez, en se référant au dernier rapport de Reporters sans frontières, le Niger a perdu euh, jusqu'à 5 places, euh, donc qui était à 149e, je ne, suis, je ne me trompe, le président de la maison de la presse est là pour un peu nous rafraîchir la mémoire, qui est revenu à, deux, à 150 Deuxième, je pense, je pense pas avec précision, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le Niger a reculé même par rapport à, 2014, puisque euh, le, et cette fois-ci, vous savez qu'en 2014 c'était la faute des médias, et en, 2015 c'était la faute des pouvoirs publics dans le musellement des médias, euh, des journalistes, dans l'exercice de leur métier. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire il y a des efforts à faire pour euh, sécuriser euh, les journalistes à l'exercice de leur euh, ah. travail. Alors, alors bah pourquoi Ce, recul Je suis maintenant avec le président de la maison de la presse, Ibrahim Aruna. Pourquoi ce recul Ce recul, comme l'a dit le représentant de l'ONUMED, selon RSF, est dû à certaines entraves de la part des autorités qui gèrent ce pays-là. Donc, euh, il est constaté que euh, beaucoup d'entraves euh, euh, sont exercées pour empêcher aux journalistes de faire leur travail. Quand vous parlez d'entrave, est-ce que vous pensez à certains événements comme la manifestation de, de Charlie Hebdo, anti-Charlie Hebdo Est-ce que vous pensez aussi à... Ce n'est pas seulement, oui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement cette manifestation, mais il y a aussi d'autres entraves qui ont été enregistrées. Vous rappelez euh, certaines images qui ont passé sur certaines chaînes montrant des journalistes arrêtés, mis dans de des véhicules de la police, euh, voire même des journalistes tabassés par la police. Ce sont euh, des de l'arrivée de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Hamadou. Oui, il y a aussi, mais là aussi, il faut souligner que ce n'est pas seulement de la faute des autorités. On a constaté que certains militants se sont pris également à des journalistes. Donc, deux fois, ce n'est pas seulement les autorités qui entravent, qui empêchent le journaliste de travailler, mais aussi certains euh, militants politiques qui ne comprennent pas le travail de journaliste, essayent d'entraver le journaliste ou bien de porter même atteinte à la sécurité des journalistes. Alors dans ce cadre-là, ça veut dire que ces journalistes ont été pris cible parce que ces militants étaient contre les informations que cette télé ou cette chaîne euh, donnait. Euh, oui, c'est ce qui, s'est passé réellement, mais je crois que c'est une incompréhension du moment où le journaliste, lui, il fait son travail. Euh, le traitement de l'information peut varier d'un organe à un autre. Et dans certains pays les plus démocratiques qu'on connaît dans le monde, on constate qu'il y a aussi des organes de presse considère qu'on proche d'un parti ou d'un autre, mais ceci ne fait pas en sorte que qu'on s'attaque directement euh, à, la vie de ces journalistes ou bien qu'on empêche à ces journalistes de faire leur travail. Alors des journalistes ont aussi été arrêtés et privés de tout le, matériel de travail. Euh, oui, l'exemple le plus frappant est cette caméra euh, d'un organe de presse qui a été qui a été confisquée pendant des mois. Et c'était vraiment l'exemple qu'on pouvait donner car euh, on ne pouvait pas comprendre qu'à un moment où euh, le jour, nous sommes dans un pays démocratique qu'un matériel de travail soit confisqué et malgré les interventions des uns et des autres, il a été très difficile de libérer ce matériel de travail. Pourtant, c'est quelque chose qui peut être fait facilement. Donc, ça constitue aussi une entrave à l'exercice euh, du métier du journaliste du moment où on a privé cet organe de presse d'un des matériels de son travail. Alors, est-ce qu'une loi a été euh, bafouée Là, nous y reviendrons à euh, cette question, à cette question un autre tableau sombre dressé par la Fédération internationale des journalistes, et la première organisation mondiale de journalistes d'ailleurs, qui compte euh, près de 6, membres. Suivons le point. Selon la FIJ, 66 meurtres depuis le début de l'année 2016 ont été enregistrés cette année. La FIJ met l'accent sur quatre pays, l'Inde, le Mexique, le Pakistan et le Yémen. Pour le président de la FIJ, Philippe Lerut, le faible taux d'enquête et de poursuites concernant la violence dans le journalisme a renforcé l'impunité qui alimente à son tour le bain de sang en cours. Philippe Lerut déclare je cite, Tant que la clameur des représentants des gouvernements dans les salles de réunion de l'ONU lors de l'adoption par les États des résolutions visant à protéger les journalistes ne trouve pas un écho dans l'action réelle sur le terrain, la situation est peu susceptible de s'améliorer. La liste des pays ayant dénombré le plus de décès en 2016 établie par la FIJ comprend des zones de guerre comme l'Afghanistan, 11 morts, l'Irak 7, la Syrie 5, le Yémen 5 et le Pakistan 5. Mais la violence a également coûté la vie à des journalistes qui ont dénoncé la criminalité et les abus de pouvoir au Mexique 8, en Inde 5, au Guatemala 5 et au Brésil 3. C'est un papier lu par Ilato Soumana. Parlons de la situation dans le monde tout d'abord. Pourquoi cette aggravation de la euh, situation Jafar vous êtes toujours avec nous et vous venez d'entendre le point qui a été fait par Ila Soumana. Pourquoi cette aggravation dans le monde Oui, vous savez que dans, mon, intervention, euh, au début, j'ai dit, que je parlais des zones de conflit et de la multiplication de conflits à travers le monde. Euh, c'est comme c'est lamentable, c'est grave, mais, mais il faut comprendre euh, cette exaspération de, de euh, des crimes contre les journalistes dans le cadre de, la multiplication à travers le monde de conflits. Vous savez que le terrorisme est un peu partout à travers le monde. L'Afrique n'est pas épargnée, le Niger n'est pas épargné, avec Boko Haram d'un côté, de l'autre côté, il y a les, euh, groupes armés terroristes du Nord Mali. Euh, la corne de l'Afrique est, est, sous l'emprise du terrorisme l'Occident n'est pas épargné. Ça veut dire quoi Ça veut dire que on ne peut plus euh, soustraire cette question de, des crimes contre le journalisme, des débats, des plaidoyers à travers le monde. Euh, euh, aujourd'hui, il est, il, est, il est plus que important qu'il y ait un plaidoyer important sur cette question. C'est-à-dire c'est des grands débats, même aux Nations Unies, Certes, on a la journée, mais il faut qu'elle soit accompagnée par des débats pour régler la question de la couverture des conflits par les journalistes. Vous savez qu'on est face à d'autres types de conflits. Si dans les années 70, 77, euh, il y a eu des conventions, il y a eu des, textes qui protègent les journalistes euh, dans le cadre de la couverture de conflits, aujourd'hui, nous sommes face à une situation où euh, euh, le, la guerre est asymétrique, la guerre n'est plus contrôlée, il n'y a aucune euh, législation sur le terrain. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on devrait repenser les rôles des uns et des autres, on devrait repenser la position de la couverture des conflits par les journalistes. Alors, alors repenser le rôle des uns et des autres, Président Ibrahim Yacouba, président de la Maison de la Presse, comment oui, repenser, c'est créer. Ibrahim Aruna, pardon. <laughs> Repenser, c'est d'abord, moi je crois que ça doit passer d'abord par le cadre juridique. Si le cadre juridique est créé, mais aussi il faut des dispositions pratiques pour permettre à ces journalistes de faire leur travail. Maintenant, si nous sommes dans des régions où il n'y a pas de conflit, il faut que la justice veille il faut que les lois protègent réellement le journaliste. Maintenant, dans le cadre des régions de conflit, c'est des dispositions spéciales qui doivent être prises pour protéger ce journaliste-là. Non seulement tous et toutes les parties doivent être associées pour la protection du journaliste, parce que le journaliste ne travaille pas d'abord pour lui-même, il travaille pour des organes, il travaille, pour des organes, et il y a aussi l'État qui a ce devoir-là de protéger. Donc, c'est la convergence de toutes tous les efforts des uns et des autres qui puissent permettre de protéger les journalistes, quelle qu'en soit la situation. En dehors de conflit, il y a aussi ces pays qui sont marqués par des fléaux de narcotrafic et qui vraiment, on voit que la situation aussi là-bas des journalistes est déplorable du moment où ces narcotrafiquants s'attaquent aux journalistes qui essaient de donner les, informations concernant leurs activités. Donc là aussi, il faut euh, une euh, combinaison des uns et des autres, les autorités comme les responsables des organes, pour protéger les journalistes de telle sorte qu'ils puissent faire ce travail euh, sans inquiétude. Alors, est-ce qu'on peut dire au Niger réellement, il y a eu des cas d'assassinat ou est-ce qu'on peut aussi parler des cas où des journalistes ont été vraiment maltraités Non, on peut parler de quelques entraves à la liberté de la presse, de quelques maltraitements, euh, de mauvais traitements vis-à-vis des journalistes, comme on a tantôt parlé de certaines images des journalistes bastonnés par la police. Euh, mais quand même, on n'est pas au stade de parler d'assassinat des journalistes et nous ne souhaitons pas qu'on aille vers euh, cette situation-là. Et pour éviter cette situation, il faut aussi appeler les journalistes à plus de responsabilités dans, euh, dans leur travail. Nous sommes dans un contexte de dépénalisation du délit par voie de presse. La dépénalisation implique aussi une certaine responsabilité de la part des journalistes. Avant de parler de dépénalisation, euh, nous allons aller vers ces lois qui protègent le journaliste. Vous en parliez tout à l'heure, Jahar Maman de l'ONIMED. Oui. Oui, quand on parle de loi, je pense qu'il euh, faut, il faut spécifier les lois. Je parlais tantôt de conventions qui protègent les journalistes, de conventions internationales qui protègent les journalistes euh, dans le cadre de, couverture des conflits, des guerres par exemple, des guerres traditionnelles que nous connaissons. En dehors de ces lois, il y a, il y a euh, des, textes additionnels maintenant qui permettent de mieux sécuriser encore le journaliste sur le terrain, mais ça aussi, c'était dans le cadre de la guerre conventionnelle. Mais aujourd'hui, que nous sommes dans un, dans un, dans un type de, de, conflit où euh, les belligérants euh, ne sont pas connus sur le terrain, où euh, on ne fait pas de distinction entre les journalistes, entre les, les, groupes armés et parfois même on ne fait pas la part des choses entre les journalistes et les militaires. Ça veut dire qu'il faut aussi de nouvelles législations qui puissent s'adapter au contexte euh, euh, nouveau. Alors, alors nous, allons, nous allons prendre un cas palpable. Euh, nous revenons donc sur ce, ces journalistes qui ont été tabassés, qui ont été arrêtés lors de l'arrivée de l'ex-président euh, de l'Assemblée nationale, Hama Amadou. On se souvient, comme je l'ai dit, que deux journalistes avaient été euh, arrêtés, incarcérés pendant 48 heures. La question qui se pose, est-ce que ces deux journalistes avaient le droit de franchir le cordon de sécurité pour, dans le cadre de la couverture euh, de, cet événement? Avaient-ils réellement euh, ce droit? Je suis avec le président de la Maison de la euh, Merci. Vous savez que dans le cadre euh, des actions de maintien de la paix, euh, on nous a toujours dit que les policiers ont des difficultés à faire le distinguo entre les journalistes et les manifestants certes, euh, des dispositions normalement sont prises. Par exemple, le journaliste qui part sur le terrain dispose d'un équipement qui le différencie avec et d'un gilet qui montre euh, son organe, euh, son identité, mais aussi il doit disposer d'une carte de presse qui est libérée par le Conseil supérieur de la communication. Normalement, la carte de presse te permet de franchir le cordon de sécurité, mais malheureusement, si de l'autre côté, les policiers disent que dans le cadre du maintien de la paix, ils ont des difficultés à franchir, à, distinguer les journalistes. Là, il y a, je crois que, un travail à faire c'est celui de la sensibilisation des, des, policiers, des jeunes policiers qui partent sur le terrain pour le maintien de la paix. Mais aussi, il faut vraiment une bonne volonté de la part de nos autorités politiques pour obliger ou bien imposer à ceux qui sont autorisés à faire le maintien de la paix de protéger eux-mêmes les journalistes. Alors, alors Maman de, de l'ONUMED, euh, je m'adresse à vous. Dans ce cas bien précis, les journalistes avaient-ils le droit de porter plainte et où oui, bel et bien, la législation nigérienne est claire. Hein. Quand le journaliste est violenté, comme tout citoyen d'abord, il a le droit de porter plainte. il a le droit de porter plainte. Mais mieux, c'est que nous, là, nous avons euh, un cadre euh, juridique clair sur l'ordonnance 035-2010 qui euh, spécifie le peine, même en cas de, de, de faute, le journaliste n'est pas sous pression comme on sait dans, dans la période de régime d'exception. Mais ce qu'il y a, ce qu'on constate, c'est quoi C'est que les violences, quand elles viennent des pouvoirs publics, quand je parle de pouvoir public, je parle de la police, je parle de, de, de la gendarmerie, je parle de force de maintien de l'ordre, je parle des autorités. Lorsque ces cas arrivent et que même si vous portez plainte, euh, la procédure est lente. Pourquoi la procédure est lente Elle est lente, elle est lente ou est-ce même qu'elle peut, elle pourra aboutir cette procédure oui, elle peut aboutir, mais aussi elle, traîne. Mais le plus, le cas, le constat le plus euh, palpable, c'est que la procédure traîne jusqu'à un moment où on est obligé de l'abandonner et ou de, la classer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que là aussi, euh, il, faut qu'il y ait des plaidoyers. Il faut qu'il y ait euh, plus d'actions de, part des associations socio-professionnelles de médias pour que justice soit faite dans ces genre de situation. Vous savez qu'il y a des, euh, dans des manifestations, le plus souvent les cas qu'on constate, c'est pendant la couverture des manifestations. Euh, autorisées comme non autorisées. Et là, vous, avez donné un exemple d'une manifestation non autorisée couverte par les journalistes, et dans laquelle on a eu deux types de violences. Il y a la violence des citoyens sur les journalistes et il y a eu la violence des, forces de l'ordre sur les journalistes, des arrestations, des, euh, jeux de gaz lacrymogènes sur les journalistes. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il euh, il suffit tout simplement d'appliquer les textes. Et par rapport à cela, avant d'aller dans le cadre juridique, moi je vois plus euh, un besoin de formation. Les forces de maintien de l'ordre devraient être formées sur euh, le maintien d'ordre dans le contexte euh, en présence des journalistes. Euh, où se trouvent les journalistes Quel est le devoir des journalistes Puisque la loi est claire, les, textes juridiques sont clairs, un journaliste, il est, identifié sur le terrain il doit être protégé pendant qu'il euh, fait son travail. Alors, si le journaliste doit être protégé dans son travail, M. Ibrahim Yakuba, président Ibrahim Yakuba, est-ce que ce journaliste euh, lui-même euh, a des limites dans l'exercice de ce métier Oui, il y a des limites parce que ce n'est pas un travail qui se fait, euh, comment dirais-je, sans respect des règles euh, du travail. Le, le, travail a des règles qu'il faut respecter et pour sa propre sécurité, il faut aussi savoir comment s'y prendre. Parce que aller sur les terrains de, de, reportage où il y a une certaine tension, ce n'est pas donné à tout journaliste. Il faut d'abord des journalistes qui, sont, qui ont une certaine expérience euh, sur ce genre de terrain et il faut que les organes aussi comprennent que ce n'est pas n'importe quel journaliste qu'on envoie à, euh, dans certaines situations. Euh, mais euh, la plus grande protection, c'est la loi. c'est la loi qui protège les journalistes et c'est le respect de cette loi-là qui est le plus important. Alors, Président Ibrahim Aruna, vous parliez de des délits. Vous parlez de la dépénalisation tout à l'heure. Alors, euh, quels sont les, sinon, quels sont les délits qui ont été dépénalisés oui, comme vous le savez, depuis la dernière transition, euh, les autorités de la dernière transition ont adopté ou bien euh, donner la charte euh, des journalistes euh, dépénaliser le délit par voie de presse, la charte 035-2010 du 4 juin 2010. Depuis lors, on peut dire que le cadre juridique est là. La dépénalisation est une réalité depuis donc six ans hein, et que depuis ce temps-là, au moins, que les journalistes ont quelque chose sous la main pour pouvoir se défendre auprès des, autorités et des juridictions. Maintenant, concernant les délits qui ont été dépénalisés, euh, le plus souvent, on parle de, euh, euh, délits qui même les autorités, les gens, les uns et les autres, selon le rapport qu'on fait, ont des difficultés à savoir à réalité qu'est-ce qui a été dépénalisé et qu'est-ce qui n'a pas été dépénalisé. Aujourd'hui, peut-être si vous avez été au 25e anniversaire du Conseil supérieur de la communication, qui est l'organe de régulation. Eux-mêmes, dans le discours du président du CC, ils se demandaient, la question est posée de ce qui a été dépénalisé et ce qui n'a pas été dépénalisé. Mais le plus souvent, on parle de diffamation, euh, de certaines euh, injures. Euh, donc, c'est des choses qui, vraiment, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et après une certaine expérience dans cette dépénalisation, on est arrivé à la conclusion qu'il faudrait peut-être revoir la loi et préciser réellement ce qui a été dépénalisé et ce qui n'a pas été dépénalisé. Parce que jusqu'à présent, la situation prête à confusion. Alors, Jafar Maman de l'ONU-MED, quels sont les délits qui ont été dépénalisés oui, euh, quand on parle des délits de pénaliser, euh, la loi est claire. Il y a, euh, par exemple, la diffamation. Il y a la diffamation. Euh, les délits ne sont pas. il y a la diffamation, l'injure, mais l'ensemble des délits ne sont pas totalement dépénalisés. Et même quand on parle de dépénalisation, c'est là où aussi il y a une certaine confusion. Quand on parle de dépénalisation, pour beaucoup, c'est que les journalistes ne peuvent pas aller en prison. C'est comme si on dit le journaliste ne, ne subit pas la peine. Alors que c'est une sorte de transformation de la peine, temporaire elle aussi, puisque la peine est transformée temporairement euh, en, peine pécuniaire, c'est-à-dire au lieu que le journaliste soit fermé pour trois mois, il est, euh, on lui transforme ça en amende. S'il n'arrive pas à payer l'amende à un certain délai, il est obligé d'aller, comme tout citoyen, faire euh, la prison pour le fait qu'il n'a pas, il a été amendé, et il n'était pas il n'a pas pu respecter, les délais prescrits par la loi. Alors, alors le président Ibrahim Aruna parlait tout à l'heure euh, du Conseil supérieur de la communication. Quel serait le rôle du Conseil supérieur de la communication dans ce cas de figure ah oui, vous savez, euh, lorsqu'on parle de, euh, de, la, peine ou de la dépénalisation, ici, le rôle de euh, ces deux, niveaux de décision. On parle de, de peine privative de liberté et des sanctions. Il y a les sanctions qui sont dans le domaine de, euh, de compétences du CSC, e, du Conseil supérieur de la communication, c'est notamment, notamment, autant pour moi, le retrait de la carte de la presse quand, euh, sur un certain nombre de fautes il y a des sanctions qui vont jusqu'à le retrait de la carte de la, euh, de la presse par le CSC. Et il y a aussi la sanction, il y a aussi la sanction de, euh, par exemple, suspendre un journal. On peut suspendre l'apparition pour un temps, jusqu'à la suspension définitive. Mais quand il s'agit de peine privative de liberté ou même d'amende, ça, euh, une faute, c'est, l'autre, on parle de, des sanctions pénales. La sanction pénale, c'est comme si on a dit la sanction pénale passe d'abord par l'amende. Si les journalistes n'arrivent pas à payer l'amende, ils payent direct, euh, il fait la prison. Mais dans un premier temps, oui. Alors nous allons poursuivre avec euh, une question fondamentale, les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes nigériens, président Ibrahim Harouna. Mais permettez-moi de préciser quelque chose sur la précédente question. Allez-y rapidement. Le citoyen a le choix sur les trois, il y a trois alternatives pour porter plainte il y a le côté judiciaire que vous pouvez porter plainte au niveau de la justice. vous pouvez porter plainte aussi au niveau du CSC, comme vous pouvez porter plainte au niveau de l'ONIMED, l'organe de régulation que les médias, les journalistes ont mis en place. Et ce sont ces trois euh, organes qui sont chargés de, de la, des questions, du traitement des plaintes. Mais le plus souvent, nous, par exemple, au niveau des organisations sociales, nous souhaiterons que les citoyens posent leurs plaintes, déposent leurs plaintes au niveau soit du l'ONIMED ou bien du conseil, du conseil supérieur de la communication. Ils peuvent effectivement traiter toutes les plaintes euh, possibles à déposer. Et les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes nigériens Oui, les conditions dans lesquelles c'est vraiment des conditions déplorables parce que jusqu'à présent, euh, malgré euh, l'évolution de la situation, nous, depuis la conférence nationale à cette date, on a constaté c'est que les conditions de vie et de travail n'ont pas pratiquement pas beaucoup évolué, malgré que ça fait plus de à peu près 30 ans que la libération du domaine des, médias a, a, commencé, mais les conditions de vie mm, n'ont pas évolué. Nous avons un processus en cours, celui de l'adoption de la convention collective, mais malheureusement, on n'est pas à niveau, même s'il faut saluer les efforts de certains organes des médias qui sont d'eux-mêmes, euh, sont investis d'eux-mêmes dans ce processus-là en inscrivant leurs journalistes au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, alors Diafar, maman de l'ONUMED, pourquoi euh, cet obstacle dans l'aboutissement de cette convention collective oui, vous savez que y, a, le débat est encore d'actualité, puisque sinon il est même en cours quand on sait que euh, le projet de loi suit sa procédure normale. Qu'est-ce que j'appelle la procédure normale Il y a un avant-projet de loi, il y a eu une première, et le président de, la maison de la presse est mieux placé pour savoir que le texte, puisqu'il a fait partie du comité qui a travaillé sur l'avant-projet de convention collective, mais sauf ici, la résistance des, responsables et des promoteurs euh, est relative. Parce qu'ils disent qu'avant, ils ne sont pas contre la convention collective, mais avant l'adoption d'une convention collective, il faut d'abord qu'il y ait une loi sur la publicité. C'est-à-dire, puisque avant de les amener à euh, engager des journalistes professionnels ou des travailleurs professionnels avec un niveau de salaire élevé, il faut qu'on crée euh, euh, l'environnement économique. Il faut qu'on que, euh, par exemple, l'entreprise arrive à avoir plus de revenus. Ça veut dire qu'ils eh, estiment que c'est à travers l'adoption de la loi sur la publicité que l'autre, que cet environnement-là financier peut être amélioré. Alors c'est sur cette question donc que nous allons achever cette émission. Je rappelle que vous étiez en compagnie du président de la maison de la presse, Ibaï Maruna. Toutes mes excuses pour euh, ce Yakuba glissé par-ci et par-là. Diafar, maman de l'ONIMED, merci également d'être resté en notre compagnie. Je sais que, président, on n'a pas eu le temps de d'éponger ces questions. Nous y reviendrons, mais vous avez juste deux secondes pour dire deux mots et c'est la fin de cette émission. Euh, donc, euh, concernant la convention collective, ce n'est pas une loi, c'est un accord tacite entre les deux parties les travailleurs et les employés. Merci infiniment, fidèles auditeurs, d'être restés en notre compagnie. Euh, au revoir. Retrouvez demain à la même heure Mokhtar Amadou pour euh, le euh, forum du studio Kalang